ni euh, euh, euh, élu yi fi nekkul ñi ngi liggéey ak ñoom seeni faama ngi fi amuñu benn problème ak ñoom amuñu benn problème am ñoom dama la bëgg wax ne tëngee tuumaal biñ ko tuumaal ne jigéen ñi joboowuñu ku juboowul du def lii ñu nekk nañu benn te kenn dootuñu booleeti te kenn mënatuñoo boole le président Macky Sall rek ñor ci la jëm. à la suite de la réélection du président de la République la structure départementale des femmes avait connu une certaine léthargie nous nous sommes dit nous avons arpenté les chemins du département nous avons convié nos sœurs à voter le président Macky Sall à lui refaire confiance nous ne devrions pas dormir sur nos lauriers nous avons adresser des invitations à tous les responsables, hommes et femmes, détenteurs de pouvoir, euh, pour les inviter à venir nous rejoindre dans cette journée. L'Alliance pour la République, c'est un parti tous ceux qui se réclament du président de la République et par ailleurs même de la coalition Benoît Bokuyakar sont invités à rejoindre cette dynamique. Si nous voulons rendre notre parti fort, si nous voulons rendre la structure des femmes départementales fort, il ne doit pas y avoir de parti pris. Nous devons nous réunir autour de l'essentiel. Cet essentiel, c'est d'arriver à faire comprendre aux Sénégalais nous avons un président, nous avons un homme d'État en qui nous avons investi notre espoir et qui mérite notre reconnaissance et notre loyauté. Notre engagement militant auprès du président de la République n'était pas à à une demande. Mais quand même, nous souhaiterions davantage de reconnaissance, nous souhaiterions davantage d'implication au niveau des grandes sphères de décision du parti. Oui, qui parle de politique parle de responsabilité, parce que quand même, quand nous sortons, nous sortons avec nos bases politiques. Et ces bases politiques méritent notre attention, méritent que nous soyons à leur côté pour répondre à leurs préoccupations. Il nous faudrait davantage, oui, renforcer les postes de responsabilité chez les femmes et bien évidemment chez les jeunes pour encore être dans les dispositions d'accompagner le président de la République et qu'au au grand bénéfice du peuple sénégalais.